Il est 20h, mesdames, messieurs, bonsoir. Voici les titres. Plantation de 50 000 palmiers, le projet avance. En visite dans le PACA, le ministre de l'Agriculture veut étendre la production dans toutes les régions sud du pays pour asseoir l'autosuffisance en huile de palme au Sénégal. Dans cette édition, nous vous embarquons vers une destination inédite, une merveille au milieu des dunes de l'Ampoule. L'endroit vaut le détour, vous allez le voir. En plus du décor enivrant, un programme spécial découverte est proposé aux visiteurs pour un moment de détente et de repos. L'ami Touré nous y conduira. Le complexe Cher Ahmadoul Hadim de Touba nous ouvre également ses portes pour s'abreuver aux sources intarissables du savoir de Khadim Rassoul en haut lieu d'apprentissage des sciences islamiques avec à la clé la mémorisation du Saint-Coran tournoi pré-qualification JO Paris 2024. Le Sénégal réussit son entrée en matière. Les Lions ont battu Bonsoir et bienvenue à tous vers l'autosuffisance en huile de palme au Sénégal. Le ministre de l'Agriculture veut étendre la production de palmiers dans toutes les régions sud du pays. En tournée agricole dans le Pacao, à Lingouindiaï est revenu euh, sur le potentiel dont dispose notre pays dans le cadre du projet de plantation de 50 000 palmiers, euh, compte rendu pandambo. Après le bassin arachidier devenu bassin agricole, le PACAO accueille le ministre de l'Agriculture et sa délégation. Et c'est dans le cadre du suivi de la campagne agricole 2023 avec les 50 000 palmiers plantés pour l'autosuffisance en huile de palme au Sénégal. Nous avions constaté que toutes ces dernières années, l'essentiel de l'huile que nous consommons au Sénégal, surtout l'huile raffinée, c'est de l'huile de palme. pour mémoire, c'est plus de 200 000 tonnes importées chaque année. Et le DRD m'a rappelé d'ailleurs qu'il y a de cela une vingtaine d'années, 25 ans, lui-même il était là dans la zone sud, euh, les Malaisiens étaient venus au Sénégal chercher des plans. Et donc aujourd'hui, c'est la Malaisie qui nous donne pour l'essentiel donc euh, cette huile. Ce n'est pas uniquement au Sénégal, c'est également dans d'autres pays. Et c'est pourquoi j'ai pensé, compte tenu du retour de la pluviométrie, qui serait bien qu'on reprenne en tout cas ces plantations de, de palmarès, qu'on en fasse dans toutes les régions sud, que ce soit euh, Ziguinchor, Sédu, Kolda jusqu'à Kédougou. Et avec cette qualité que nous avons opté de, faire, ça devrait nous produire au moins 4 tonnes 4 tonnes d'huile par hectare. Donc ça veut dire que déjà vous avez une idée de ce qu'il nous faut pour être autosuffisant. Nous avons les moyens. Nous avons lancé ce programme qui, consiste à planter 50 000 palmiers. Donc on a, ça je vous dis, c'est, un programme qu'on a démarré pratiquement depuis le mois d'avril-mai. qu'on a commencé à acheter les semences, qu'on a fait tout ça. aujourd'hui, on le déploie sur le terrain, on va le déployer sur ces quatre régions. Et je pense que si les populations s'en occupent bien, dans quatre ans, nous allons commencer à récolter. Et je souhaite que chaque année, qu'on puisse faire beaucoup plus. Et je pense que d'ailleurs qu'on le fera, Inch'Allah. Nous mesurons à sa juste valeur l'acte que vous venez de poser, car nul n'importe l'importance de l'arbre pour les humains, surtout le palmier. Monsieur le ministre, nous profitons de votre présence dans cette région d'Ipacao pour vous solliciter votre accompagnement pour que la mécanisation de l'agriculture devienne une réalité dans notre commune. Autre décision majeure prise par le ministre lors de cette visite, l'octroi de matériel agricole aux producteurs de la commune de Bambali. Euh, nous avons aujourd'hui de, en tout cas de bonnes perspectives avec ce, qui, ce que j'ai vu sur le terrain. Et je pense qu'également, nous allons vraiment les accompagner. Nous allons les accompagner d'abord pour ceux qui font du manioc. Le maire s'est engagé à leur donner un terrain. Je me suis engagé à clôturer déjà un terrain de 5, hectares ici pour occuper au moins 100 personnes. Je pense que c'est important. Nous avons trop de difficultés concernant la clôture d'abord. C'est ça la première chose. Parce qu'on nous disait sans clôture, il ne faut pas rêver même de cultiver le manioc. Il nous a dit vraiment il nous pourra clôturer 5 hectares ici et on pourra faire le travail et il nous fera faire un mini forage. Là, on pourrait faire le manioc pendant la saison 16 et comme la saison des pluies. En dehors de cela, nous avons euh, envisagé également de les accompagner pour les doter en tracteur. Il y avait déjà une dotation qui était là, mais l'engagement que j'ai vu ici au niveau de Bambali fait que euh, moi-même, conformément aux recommandations d'ailleurs que le chef de l'État nous avait données pour plus d'équité, nous allons les aider pour les équipements. Le gouvernement du Sénégal a fait un bon programme d'équipement agricole, que ce soit les, équipements motorisés comme également les autres. Nous allons également donner à Bambali sa Une visite qui a conduit à Linguignay dans les parcelles d'Arachide, où l'on constate une bonne levée des cultures au bloc CFA avec la multiplication des semences de riz Nereka 4 et de maïs Obatampa. La tutelle a aussi rencontré les jeunes et les femmes et s'engage à apporter des solutions à leur doléances, notamment la clôture des 5 hectares de champs de maïs euh, pour davantage augmenter la production. Euh, dans la même dynamique, ce partenariat entre l'Agence sénégalaise de reforestation de la Grande Muraille Verte et le Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP, le document a été paraffé entre les deux entités publiques. Objectif à faciliter le déplacement du secteur dans le tracé de la Grande Muraille Verte. Explication Lamine Touré. Une convention officiellement actée dans le cadre du programme intégrateur de l'Agence sénégalaise de reforestation et de la Grande Muraille verte, le recours au Fonds de garantie des investissements prioritaires FONGIP constitue l'autre innovation dans le processus de construction de communautés résilientes. Il s'agit pour votre agence de servir d'interface entre les bénéficiaires et le GIP dans le cadre du financement de leurs projets d'assurer la formation de la cible porteuse des projets, de contribuer à la formation pratique, incubation et exercice d'application des bénéficiaires de financement, entre autres. La porte est ainsi ouverte à toute initiative privée qui voudrait bien investir sur le tracé de la Grande Muraille Verte. Nous ne pouvons jamais y arriver dans la réforestation si nous ne sommes pas capables d'impulser le secteur privé dans ce que nous faisons l'État est en train de dégager des moyens. Le secteur privé doit nous accompagner pour permettre aux communautés, et surtout les plus vulnérables, qui sont aujourd'hui victimes de ces aléas de changement climatique, de pouvoir se prendre en charge. C'est un package, c'est une mission, c'est un challenge. C'est pourquoi nous avons changé de paradigme pour se tourner vers le FONGIP, pour demander l'appui du FONGIP pour pouvoir impulser ces communautés et faire de ces communautés des communautés résilientes. Les opportunités d'investissement sont bien réelles. Le cas du daki du désert, appelé chez nous sump, est une parfaite illustration. Prends l'exemple de Huit du Chingoli où nous avons pris euh, le sump qui ne coûte que 250 francs le kilo à Huit du Chingoli que nous avons amené dans un laboratoire américain et un laboratoire aussi à Casablanca. L'analyse de ces produits-là nous montre que l'huile de sump est meilleure que l'huile d'argan qui est réputée être l'une des meilleures un produit de 250 francs CFA le kilo peut vous, générer 19 euros à Paris dans un emballage. Donc, nous sommes en train de construire une usine d'exploitation de balanites c'est-à-dire de sombre, en ce moment même à Wilichungoli. Le frangip est tout simplement séduit. Je pense que c'est révolutionnaire. Aujourd'hui, euh, le Sénégal est à l'heure où on doit davantage développer l'industrialisation. Euh, combien de plantes de soupe on en a au Sénégal C'est beaucoup personne n'a pensé avoir des unités pour transformer, pour aller vers les chaînes de valeur. Et c'est ce qui a le plus attiré notre attention, parce qu'aujourd'hui, nous travaillons sur un programme porté par le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, notre ministère de tutelle, qui entre dans le cadre du développement de la compétitivité, de l'industrialisation, mais surtout de la création d'emplois. L'exemple du SOMP est parmi tant d'autres créneaux d'investissement dans la zone pastorale. La même tourée, le Sud est déjà sur la voie avec le Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasses et parcs nationaux de Dibélor. L'établissement, créé en 1963, est bâti sur 154 hectares en plus de la forêt classée. L'école, vous allez le voir, dispose d'un grand champ d'application, de conservation et d'exploitation. 500 espèces forestières y sont également disponibles. Michel Menti. Comme chaque matin, la journée démarre par une cérémonie de levée des couleurs, un instant solennel qui impose le respect des valeurs patriotiques du pays. Nous sommes au Centre national de formation des techniciens des eaux et forêts, chasses et parcs nationaux de Kibelor. Ici, on forme des professionnels de la protection et de la conservation de la nature. L'établissement est créé en 1963 et il s'appelait École nationale des agents techniques des eaux et forêts. Donc la mission principale était de former des agents techniques des eaux et forêts. Mais à partir de 1990, 91, l'école a été érigée en centre national de formation des techniciens des eaux, forêts, chasse et des parcs nationaux par le décret 91 13 50 du 6 décembre 1991. La formation des techniciens qui dure trois ans lie la théorie à la pratique. Sur une superficie de 154 hectares, les élèves apprennent tous les éléments du processus de protection de l'environnement, de la production des plantes à l'exploitation du bois, en passant par le reboisement et la sensibilisation. Les enseignements sont à la fois théoriques et pratiques. Je vous dirais c'est 50% de théorie et 50% de pratique. Vous comprendrez que dans les classes, ce sont les cours théoriques avec les enseignants et sur le terrain, ce sont des cours pratiques. C'est beaucoup de pratiques, beaucoup d'applications pratiques dans la forêt. Le centre dispose de salles d'études, d'une infirmerie, d'un foyer et de dortoirs. Autrefois, les élèves et le personnel résidaient sur place. Mais avec les politiques d'ajustement structurel des années 80, L'école est devenue un centre national de formation en 1991, une mutation qui a induit la suppression de l'internat. 24 ou 25 élèves pouvaient rester dans ce dortoir-là. Et à l'entrée, vous avez vu des chambres. C'était les Sylvains qui, étaient. Ce sont les Sylvains qui logeaient dans les premières chambres. les élèves par là. Donc il n'y a plus d'internat depuis, depuis depuis ces années-là, ce qui fait que les chambres ne sont pas habitées. Mais de temps en temps, si y des, des, étrangers, des gens qui sont venus en mission, on balaye les chambres, on met des matelas et on leur, on leur dit de rester, le temps de terminer leur mission et partir. À côté des salles de cours, l'arboretum, un espace dédié à la conservation des différentes espèces de plantes. Ici, on retrouve presque un demi-millier d'espèces forestières du Sénégal. Dans cet arboretum, nous avons de 500 espèces forestières. Si vous voulez, toutes les espèces forestières qui évoluent dans la région naturelle de la Casamance, nous les retrouvons ici. Et on peut même retrouver d'autres espèces qui évoluent au nord du Sénégal. Voilà, donc c'est ici où toutes les applications pratiques en botanique se font. Tout ce qui est botanique, tout ce qui est application pratique en botanique se fait dans, dans, dans cet arboretum. L'école accueille chaque année des jeunes Sénégalais âgés de 16 à 30 ans issus d'un continent national. Aujourd'hui, ils sont une centaine à suivre la formation. Et dans un tout autre domaine, le ministère de l'Artisanat, de la Transformation du secteur informel et le ministère de la Microfinance, de l'Économie sociale et solidaire euh, s'engagent à accompagner le secteur de l'artisanat. Les deux structures ont d'ailleurs signé une convention de partenariat pour mettre en place justement des politiques et des programmes pour faciliter l'accès au financement et à la formation des artisans. Moussamane. Cette convention a pour objectif la formalisation d'un partenariat général entre le ministère de la microfinance, de l'économie sociale et solidaire et celui de l'artisanat de la transformation du secteur informel. Sont ciblés par cette convention les artisans pour une meilleure amélioration de la productivité. L'artisanat constitue un des éléments moteurs de notre économie. En tant que premier employeur au Sénégal, avec euh, environ 1,5 million 000 artisans, mais également 126 corps de métier. ce secteur, il doit faire face à de multiples défis, parmi lesquels l'accès au financement et à l'encadrement. Pour passer d'une économie informelle vers une économie formelle, il faut un accompagnement ainsi, la mise en place des sociétés de coopératives et les unités de l'économie sociale et solidaire sont nécessaires pour faciliter la transition. La convention cadre que nous signons aujourd'hui jette les bases d'une collaboration fructueuse entre nos deux départements pour promouvoir une économie sociale et solidaire robuste, des activités et des entreprises durables, l'inclusion financière des acteurs du secteur artisanal et du secteur informel, la mise en place de dispositifs adéquats pour une mise en œuvre efficace d'activités entrepreneuriales. Nous nous engageons ainsi, le ministre de l'Artisanat et de la Transformation du secteur informel et le ministère de la Microfinance et de l'Économie sociale et solidaire, à mettre en place des politiques et des programmes qui faciliteront l'accès à des financements abordables à la formation professionnelle de qualité et à l'accompagnement nécessaire pour favoriser cette transition vers une économie formelle et inclusive. Malgré son rôle essentiel dans le tissu économique du pays, l'économie informelle est confrontée à plusieurs difficultés. Avec cette convention, un comité sera mis en place. Il va travailler pour une transition de l'économie informelle vers une économie formelle. Euh, tout de suite, embarcation vers une destination inédite, l'ampoule au cœur d'un site magnifique, un petit espace désertique de 8 km, le seul espace d'ailleurs du genre disponible au Sénégal. Sur place, les touristes profitent des merveilles de la nature. La Mintouré nous plonge au cœur de cet univers. Entre Dakar et Saint-Louis, l'ampoule euh, continue d'être un temps d'arrêt à ne surtout pas laisser de côté. Une fois sur place, nous nous embarquons à bord de ce véhicule, et tout terrain, vers une destination qui apaise le cœur. and the land is dark and the moon is the le chemin n'est pas de tout repos, il faut une certaine agilité pour sillonner cette piste rurale de 4 km au contour parfois sensationnel, comme qui dirait un déplacement dans l'air. Nous voilà sur place au niveau du campement Horizon Lodge de la filière Horizon Bleu, le site abrite chaque année le Festival du Sahel, un paysage à couper le souffle. Ces touristes ont fini de ranger leurs bagages dans ces logements à ciel ouvert. Ces jeunes dames, en compagnie de leur maman, viennent de Paris, un temps d'arrêt bien choisi avant de reprendre la route destination Giguinchard. Elles nous proposent une balade en squad vers la Grande Côte c'est une bonne expérience. Et franchement, c'est euh, de profiter et de ne pas écouter les médias, euh, parce que c'est très agréable. C'est très très beau. J'en de venir au désert en tout cas. Ainsi va la vie ici au niveau de l'Ampoule. On vient en famille, on vient entre amis pour venir euh, véritablement en profiter de la beauté de la nature, de la beauté de ce climat agréable qu'offre l'Ampoule, comme l'a fait Nima avec sa famille. Euh, elles vivent en Europe. Elles ont décidé de venir en vacances ici au Sénégal, à Longpool. Et comme vous l'avez entendu tout à l'heure, le séjour euh, se passe bien. Les Sénégalais surtout sont conviés à venir euh, rejoindre ces sites, ne serait-ce que pour promouvoir ce qui est convenu d'appeler aujourd'hui le tourisme local. Ici, c'est un tout autre état d'esprit pour Banasila, la grande sœur. On est venu pour euh, quitter un peu l'état d'esprit français parisien quoi. Toute l'année, on est dans le dans une matrice où on travaille tout le temps, métro, travail, maison. Il fallait fait d'être dépaysé, on n'a pas de wifi dans la chambre, ça marche pas. Donc on est ici entre nous, bon accueil, on mange bien. Il y a les dunes, le vent, on entend les oiseaux. On cherche le calme. On l'a trouvé ici, donc c'est cool. Les autres, eux, en profitent. C'est le cas de Manou et de ses amis. Arpenter ces dunes à l'aide de chameaux constitue pour elles de vrais moments de détente. On a choisi de venir ici parce que euh, on connaît des gens. En fait, on travaille à Dakar et du coup, qui nous ont donné euh, l'adresse d'ici en disant que c'était euh, chouette et que c'était une belle expérience au milieu du désert et que les paysages étaient très beaux aussi. Et hyper agréable et le site est très joli. On est au milieu des dunes, donc c'est super chouette. Un atout touristique de dimension internationale. Ce sont des étrangers, généralement. C'est des Espagnols, des Belges, surtout des Canadiens et des Italiens. Voilà, c'est surtout des, étrangers. Chacun avec son goût. Généralement, ils viennent pour le soleil, ensuite découvrir le, désert, euh, le calme aussi y est, et ensuite faire les balades sur les, sur les dunes, c'est extrêmement bien. De l'économie et du développement, l'ampoule porte toutes ses qualités. Nous avons la majeure partie de notre personnel sont des gens du village de, de Lompoul que nous, euh, que nous prenons comme employés avec des contrats en due forme. Donc euh, voilà. Et en plus, pour faire plus d'impact socio-économique, là, cette zone-là, ils cultivent beaucoup plus les légumes. C'est leur euh, principale activité agricole. Et nous, nous avons le même menu. Tous les jours, c'est targine poulet avec des légumes. Et nous achetons presque tous les jours des sacs de légumes, carottes, choux et tout ça pour servir aux, clients et en faire bénéficier également aux agriculteurs locaux. L'ampoule, une merveille à voir ce coucher de soleil, une clarté à peine obstruée par ces dunes. Le soir, le camp de feu brille de mille feux pour une localité qui force le détour. Autre découverte, Kermbouki, une commune euh, du département de Mirkilan, région de Kafrine. Sur place, les populations locales font face à de nombreuses difficultés. L'accès aux services sociaux de base reste limité. 80% de la population s'active dans l'agriculture. L'exploitation du sel y est également très développée, nous dit Clariopa. Kermouki est situé à l'entrée de Kafrine dans le département de Birkilane. La localité est érigée en commune en 2014 suite à l'éclatement de l'ancienne communauté rurale de Birkilane en trois collectivités locales. Kermouki polarise 28 villages et 14 hameaux. Sur place, la population est relativement jeune. C'est une commune d'une population qui varie euh, à peu près à 15 à 20 000 habitants. Je ne peux pas parler de la superficie parce que récemment nous avons délimité la commune et les données n'ont pas encore officielles. Mais c'est une commune vraiment qui, qui bénéficie d'un peu d'espace. C'est une commune qui, euh, qui bénéficie d'importantes superficies de terres arables. Kermbouki tire ses ressources des activités agricoles très développées avec pratiquement plus de la moitié de la population qui s'active dans le secteur. L'exploitation du sel, appelé encore l'or blanc, y est pratiquée également. Kermbouki est traversé d'est en ouest par un bras de mer, le bras de mer Sissaloum, qui pendant la saison sèche euh, nous offre une quantité importante de, de, de sel. Chaque année, je peux vous dire qu'on exploite des milliers de tonnes dans le, dans, le bras de mer. Et qui est vraiment une activité qui est une activité génératrice de revenus. À Kermou, comme vous dites ne connaît pas l'exode Pendant la saison sèche, les jeunes pratiquement restent ici. Parce qu'il y a deux unités de transformation de sel qui, chaque jour, emploient au moins 50 à 60 jeunes. Kurmbuki, c'est plusieurs spéculations cultivées pendant la saison hivernale et le maraîchage hors saison. De bons rendements sont enregistrés grâce à l'appui de l'État du Sénégal. Cette année, la quantité d'engrais allouée à la commune a sensiblement augmenté. Cette année, pour chaque espèce d'engrais de, chimique, nous avons réussi jusqu'à plus de 100 tonnes. Comme je vous l'ai dit, en, en engrais 6,20 10 qui est l'engrais de l'arachide, on a recyclé que 120 tonnes. En engrais, pour le on a recyclé 200 tonnes. C'est la même chose aussi du côté de, l'engrais qui est là pour le maïs, de l'iré. En tout cas, vraiment, cette année, vraiment, comme je vous l'ai dit, la, commune s'est frotté les mains parce que, alhamdulillah, nous avons eu suffisamment d'engrais l'engrais aussi est venu en temps et en quantité suffisante. À Kermouki, l'accès aux services sociaux de base est relativement difficile. La commune dispose de quelques établissements scolaires et des structures de santé. L'accès à l'eau reste limite. Le seul forage de Ndiaye Walo alimente Kermouki et d'autres localités environnantes. L'installation date de 1983. De 1983 à nos jours, la population a triplé, voire même quadruplé. Donc, ce qui fait que la pression est très faible. Il y a certains mêmes quartiers de ce village-là qui ne parviennent pas à, avoir de l'eau que tard dans la nuit. Donc, ce qui nous vraiment, nous avons aussi, nous, étions aussi à la recherche de nos partenaires pour, se doter d'un forage. Et là, je pense que les, choses ont avancé. On nous a envoyé une équipe technique qui a fait l'audit topographique. Maintenant, les dossiers sont sur la table du, du, du, du directeur de forêt qui doit nous attendre Alors, on pour ça a interpellé, mais actuellement, il y a l'urgence. L'urgence, c'est quoi C'est d'augmenter la pression de l'eau, rénover beaucoup de tuyaux. Autre difficulté majeure, l'accès à l'électricité. Beaucoup de villages et amont sont encore dans le noir, même si des projets d'électrification rurale sont en cours de réalisation. Et après Kermouki, nous vous invitons à présent à aller nous abreuver aux sources intarissables du savoir de Khadimou Rassoul avec le complexe Cheikh Ahmadul Khadim de Touba, un haut lieu d'apprentissage des sciences islamiques avec à la clé la mémorisation du Saint-Coran, une découverte signée Cheikh Bambagui. Touba, la sainte, la cité bénie de Serein Touba se développe au rythme de la modernité. Voici le complexe Cher Ahmadul Khadim de Touba, il est implanté au cœur de la ville. Le centre, né de la vision du fondateur du mouridisme, est en train de jouer un rôle d'avant-garde dans la formation en alliant tradition islamique, modernité et ouverture concrétisé par le Ralif général des Mourides, Serein Muntaha Bachir. Il a été inauguré en février par le président Macky Sall. Il comprend trois UFR, UFR des sciences islamiques et arabes, UFR des sciences agronomiques et des technologies alimentaires et UFR des technologies de métiers et deux instituts. Là, nous sommes au bloc réservé à l'enseignement coranique avec des visages innocents. Ces enfants, dont l'âge varie entre 4 ans et 7 ans, viennent de partout du Sénégal. Six ans d'apprentissage, mais déjà après trois ans et demi, ils vont parfaitement mémoriser le Coran. C'était le souhait de Serigne Mountakha Bassirou Mbacké de faire revenir le modèle ah, originel de l'enseignement coranique ici à Touba. et conforme également à la modernité. C'est pourquoi vous voyez ces enfants qui étudient dans un complexe moderne avec des bâtiments de standing. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils mangent bien et nous tenons à leur propreté. Par exemple, le chef cuisinier vient d'Angleterre. Ces enfants sont internés pendant toute la durée de la formation. L'enseignement se déroule bien avec une bonne organisation. Près de 800 enfants y apprennent l'enseignement coranique répartis dans 37 classes avec au minimum un effectif de 25 enfants par classe. programme nous avons un programme réparti sur euh, six ans. Euh, c'est le temps qu'ils doivent passer ici avec un programme spécial tous les deux ans. Euh, c'est pas facile d'apprendre à des tout petits. Ils mémorisent très vite le Coran. L'avantage ici, c'est qu'on enseigne et on éduque, et les résultats suivent aussi. Ici, les enfants sont pris en charge totalement par le Khalif général des Mourides, Seren Moutara Bachir Ils viennent de partout du Sénégal et majoritairement de Touba. La particularité ici est que tous les premiers disciples de Serigne Touba ont leur arrière-petit-fils ou petit-fille ici. On peut dire que le calife général Serigne Moudara Bassirou Baké a concrétisé les vœux de Serigne Touba. Euh, ginnaaw bi itam am na benn plateforme bu ñu ubbi woon ngir inscrire nga xam ne képp ku xemmeen képp ku bëgg sa doom dugg ci daara ji foofu nga inscrire woo euh, ñooñu ñoo fi daje noonu lañ tàmbalee liggéey bi nga xam ne xale yu toll ci juróom benn at jàpp juróom ñaari at ñoo doon mm, ñu fi njëkk a tàmbalee jàng L'entrée dans ce prestigieux complexe peut également se faire par inscription sur la plateforme dédiée qui illustre en même temps l'ère de s'adapter aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et à terme, la formation et l'éducation de ces tout petits est assurée et pourront perpétuer avec rigueur les idéaux culturels et économiques du fondateur du mouridisme. Une découverte qui colle parfaitement avec les préparatifs du Grand Magal de Touba prévu le 4 septembre prochain et puis cette vaste opération de désensablement dans la commune de Durbel en important dispositif humain et matériel déployé au quotidien entre 7 heures du matin et 12 heures pour libérer les voies urbaines et rendre les axes routiers praticables. Nos équipes ont fait le constat d'Amsila. Ils sont des dizaines à descendre tous les jours sur le terrain pour désassembler les routes de la commune de Djourbel. Ces agents du FERA, Fonds d'entretien routier autonome, travaillent en étroite collaboration avec la municipalité pour un Djourbel propre et attractif. On est 234 personnes. Nous devons nettoyer toutes les routes bitumées de la commune. on a fait un maillage complet de la commune. Toutes les routes, on, a mis un personnel sur chaque linéaire. À cette période d'hivernage, les agents adoptent un nouveau système de travail pour réussir le pari au lieu de se diviser en petits nombres, ils se regroupent par dizaines pour nettoyer ensemble les axes routiers de la commune, souvent remplis d'eau et de sable, après la pluie. Il y a beaucoup de routes bitumées au niveau de la commune. Vraiment, c'est un travail très, très, très consistant. Et comme vous le savez, Durbel est une ville sablonneuse. Et quand il pleut, vraiment, après la pluie, les routes sont remplies de sable à cause des véhicules. Armés de leur matériel de nettoiement, ces agents très engagés sont sur le terrain de 7h du matin à 12h. Toutefois, la vétusté de leur outil de travail met du plomb sur leurs ailes. On a un matériel vétuste. Ça fait plus de deux ans qu'on n'a pas eu de matériel. Dans la mesure où il y a une année où le FERA, au niveau de la direction nationale, avait décidé d'acheter du matériel pour toutes les équipes euh, FERA des communes du Sénégal. Malheureusement, ça n'a pas pu être réalisé. Mais il est mis dans la convention que signe le maire avec le FERA chaque année qu'il y a au niveau du budget, en dehors des rétributions que l'on doit au personnel, un, budget alloué au petit matériel. La carte routière de la commune de Durbel est fortement élargie ces dernières années. Les voiries sont bien entretenues grâce aux coups de balai quotidien des agents du FERA. Autre sujet, le programme alimentaire mondial dispose désormais d'un sous-bureau nord à Matam, en charge également de la région de Saint-Louis. Le PAM pourra travailler directement avec les communautés pour améliorer la nutrition et renforcer la résilience. La cérémonie d'inauguration s'est déroulée en présence de la directrice régionale adjointe. Compte rendu C'est au quartier Afia que sont nichés les locaux du programme alimentaire mondial. Le sous-bureau du PAM à Matam, inauguré en grande pompe, va créer une proximité entre l'agence humanitaire et les populations. Ce sous-bureau symbolise notre engagement à être très près de communautés. C'est mieux d'être ici sur place. Vous avez dit que vous voyez les gens du PAM ici. C'est mieux d'être ici que de vous soutenir de Dakar. Diverses actions ont été initiées dans les régions de Saint-Louis et Matam. La réhabilitation des terres écologiquement dégradées dans la commune de Ogo a permis d'améliorer les conditions de vie de centaines de ménages. Les transferts monétaires pour les enfants scolarisés touchent plus de 100 000 élèves dans les deux régions. Nous cherchons à renforcer la scolarisation et le maintien de l'école des enfants issus de ménages vulnérables. En particulier, nous voulons aussi le maintien des filles à l'école et aussi des garçons à améliorer leur état nutritionnel grâce à des aliments sains et variés, tout en favorisant les achats locaux pour dynamiser l'agriculture et l'économie locale. Les résultats obtenus depuis le démarrage du Suboro en 2021 sont la preuve tangible de notre engagement. Pour les bénéficiaires venus nombreux participer à la fête, l'apport du PAM est considérable. Ce sont les enfants eux-mêmes qui nous poussent à les inscrire. Ils disent qu'à l'école, ils mangent des œufs, mais aussi des poulets. Avant, nous utilisions du bois. Maintenant, c'est avec du gaz que l'on cuisine. Ben, les autorités de la région et les partenaires du PAM ont pu découvrir les nouveaux bureaux, des bureaux qui font la fierté des agents déployés dans la région. Et tout de suite, un bref survol de l'actualité internationale nous mène à Hawaï où au moins 96 personnes sont mortes dans des incendies. Tout d'abord le Niger. La junte va poursuivre Mohamed Bassoum pour haute trahison. Le récit de Mariam Biramba. Au Niger, le président déchu, Mohamed Bazoum, a vécu 48 heures très contrastées. Samedi 12 août, en fin de matinée, le chef de l'État, séquestré dans le sous-sol de la résidence présidentielle à Niamey, a été autorisé à consulter son médecin. Mais le dimanche 13 août, le porte-parole de la junte a annoncé dans un communiqué lu à la télévision nationale vouloir le poursuivre. Le gouvernement nigérien a réuni à ce jour les éléments nécessaires de preuve pour poursuivre devant les instances nationales et internationales compétentes le président déchu et ses complices locaux et étrangers pour haute trahison et atteinte à la sûreté intérieure et extérieure du Niger. De son côté, la CEDEAO a indiqué dans un communiqué que ces menaces de poursuites judiciaires constituent une nouvelle forme de provocation et contredit la volonté prêtée aux autorités militaires de rétablir l'ordre constitutionnel par des moyens pacifiques. Elle condamne une nouvelle fois la détention illégale de Mohamed Bazoum et appelle à sa libération immédiate. Selon les dernières informations reçues, le régime militaire se dit capable de surmonter les sanctions prises par la CDAO. Hors des frontières du continent africain, à Hawaï, au moins 96 personnes sont mortes dans les incendies qui ont ravagé Maui, une île de l'archipel d'Hawaï. Euh, selon un nouveau bilan du désastre annoncé par le comité de Maui, il est bien supérieur aux conséquences humaines de la dernière grande catastrophe naturelle dans cet État américain, le tsunami de 1960, qui avait fait 61 morts. Les flammes ont réduit en cendres la ville balnéaire de Lahaina de 13 000 habitants, avalant maisons, voitures, hôtels ou commerces. Une grande partie de l'archipel d'Hawaï était en alerte rouge incendie lorsque de multiples feux ont débuté mardi mais leur cause reste encore inconnue. Une enquête sur l'origine de la catastrophe a été ouverte samedi, mais les experts estiment que, quelle qu'en soit la cause, un concours de circonstances a aidé sa propagation fulgurante. Sport, basket, tournoi pré, tournoi qualificatif pré-olympique, les Lions s'imposent euh, face aux D Tigers du Nigeria sur le score 93 euh, à 87 dans une fin de match à suspense. Fatmata Savané. Le Sénégal s'impose au forceps face au Nigeria 93-87. Une entrée en lice réussie pour les Lions. Un premier carton équilibré entre les deux équipes au tableau d'affichage 26-25 pour les D Tigers. À la mi-temps, le score est de 46 à 44 pour les Lions, une petite avance de deux points que les coéquipiers de Ousmane Diaye et Gora Kamara, les nouveaux de la tanière, conservent. Au troisième carton, le Nigeria revient avec un point d'avance. Au quatrième carton, le match s'emballe. Les Nigérians s'accrochent au score, mais les Sénégalais arrivent à les semer de 10 points. Pas pour longtemps pour les Lions qui se font peur eux-mêmes. Ils multiplient les maladresses, mais Youssoundoy, Branco Badjo, Ousmane Diaye et les autres vont essayer de prendre le dessus. Malgré la défense de zone imposée par les Nigérians, les Sénégalais arrivent à créer des fautes et à semer le doute dans l'esprit des Nigérians. Au finish, 93-87, les Lions réussissent une bonne entrée dans le tournoi, mais devront affronter le Mali pour leur deuxième sortie. Ce sera ce jeudi à 17h GMT. Bonne nouvelle également en volleyball. Les équipes championnes du Sénégal 2023 sont connues. Le Saltigué en dames et Isaac Sport chez les hommes ont triomphé au détriment de Diofior Volleyball Club et ASC Ville de Dakar. C'était à l'issue des finales des phases nationales. Jacob Dir et Tanda nous parlent d'abord de la finale des hommes. Ce fut la l'apothéose à Marichingaï. Les équipes de l'ASC Ville de Dakar et Isexport ont émerveillé un public connaisseur et qui a apprécié à sa juste valeur une finale pleine de passion et de rebondissements. Le volleyball sport à technique très difficile, grosse illustration avec les bleus et jaunes de la Ville de Dakar face aux étudiants de e Sport à la grande messe du volleyball sénégalais, à la petite comme à la grande diagonale. Ce fut vraiment du plaisir avec surtout de très bonnes réceptions, de très bonnes manchettes même si auparavant, il faut dire qu'il y a eu beaucoup de fautes défilées, mais aussi des fautes de pénétration en attaque, avec une facture technique tout à fait remarquable. Au contre, avec les longilignes joueurs l'ISEC au poste 1 et poste 3, et qui ont séduit Ibrahim Diagne, mais aussi Sabali ont bousculé les jaunes et comme il faut dire, ça a été absolument magnifique avec Serine Kebé et Lamine Baye. 5e 7 à 15 et qui a vu la victoire sublime de l'équipe de l'ISEC sur l'ICV de Dakar 3-7 à 2. C'est vrai que c'est une nouvelle équipe, mais c'est une équipe qui a changé de dénomination. On était en Afrique euh, récemment, on a représenté le Sénégal et avec la prestation qu'on a eue et l'effectif on a pu défendre notre Du côté des fédéraux, c'est véritablement la satisfaction totale à l'occasion d'une saison bien remplie. tout d'abord, je commencerai par remercier euh, le ministère des Sports et aussi le comité olympique vraiment qui nous ont accompagnés tout au long de cette saison sportive. Alors je ne peux que me réjouir euh, de ces deux belles finales à laquelle nous venons d'assister et vraiment remercier l'ensemble des acteurs du monde du volleyball. Euh, L'autre satisfaction aussi, c'est que toutes ces équipes finalistes ont amené avec elles euh, leurs écoles de sport et qui ont supporté, mais aussi qui ont appris à travers justement cette finale. Donc euh, la fédération se félicite une fois de plus euh, d'arriver au bout de cette saison et de pouvoir justement avoir deux grands champions, à savoir l'équipe de Satigué chez les filles et l'équipe de l'ISEC. Et ce sont ces mêmes équipes qui avaient gagné l'année dernière. Et donc ça veut dire que bon voilà, euh, seul le travail paye. Mais compte tenu de ce qu'on a vu, une finale comme celle-là, avec sa qualité technique, le public connaisseur en redemande. Abdou Madani Diallo, alias Moutimouti, l'homme au vélo, est arrivé à Dakar dans les locaux de la RTS, parti de Dabo, sa localité dans la région de Kolda. Il est passé par la Côte d'Ivoire en passant par la Guinée-Conakry. Après avoir parcouru des milliers de kilomètres en l'espace de 33 jours, il espère rencontrer le président de la République Macky Sall pour lui présenter son projet agricole avant de retourner chez lui. Football, euh, la montée du Diamano de Fatigue en Ligue 1 est le fruit euh, d'une saison de dur labeur avec beaucoup de sacrifices selon le coach de l'équipe Ibrahim René Diouf. Euh, pour le président du club Mamada Mandour, Diamano de Fatigue va lutter pour rester en Ligue 1. Propos tenus lors de l'émission Galaxy Sport spéciale enregistrée à Fatigue par la RTS. Nous les écoutons. Permettez-moi d'abord de de remercier surtout l'administration du club et à sa tête le président Mam Adamondour et euh, tous ses collaborateurs qui ont été là pendant des moments un peu difficiles quand même. Parce que le football aussi, maintenant, ça demande énormément de moyens financiers. Et ça ne doit pas s'arrêter, ça doit être tout le temps continuel, euh, donc, continu du moins. Donc, euh, mention spéciale à lui, à l'administration Dijamono également les, les joueurs qui ont été là, qui ont accepté de souffrir quand même parce que à un moment donné aussi, ce n'était pas évident, c'était, extrêmement difficile. La charge du travail était intense, mais ils ont accepté de travailler, accepté de souffrir. Parce que moi, je le dis, et mon staff, que dans la vie, quand on travaille, forcément, un de ces jours, on va être récompensé. moi, je pense qu'on a été récompensé en étant champion du Sénégal et en montant en Ligue, en Ligue 1. Hein, je crois que ça a été une apothéose, ça a été une fierté pour toute, euh, toute, la, vie euh, la, la, de Fatigue. J'attendais qu'on finisse avec la Coupe mhm. pour qu'on puisse s'asseoir, discuter, voir les objectifs de l'équipe à court, moyen long terme. Euh, je pense que ça, on le fera de sitôt. Et parce que aussi, vous savez, le nœud de la guerre, c'est les finances, c'est l'argent. Parce que je pense que nous aussi, en tant que dirigeants, il nous faut un fonds d'amorce qui va nous permettre un, deux ans, euh, de ne pas avoir de problèmes financiers. Ensuite, euh, pour mieux, mieux, mieux connaître la Ligue 1. Ensuite, euh, d'ici 3, 4, 5, ans, on va, on va essayer de monter en puissance. Moi, je n'ai pas peur, hein, parce que nous savons qu'en Ligue 2, on a duré en Ligue 2. Mais quand même, ça nous a permis aussi, c'était un, ça nous a permis d'avoir, d'avoir comment dirais-je, l'expérience. C'est ça qui nous a permis d'avoir l'expérience. Quand on est en Ligue 1, on, maintenant on est en Ligue 1, on va tout faire pour, pour, y rester. Ça, c'est notre challenge. On va essayer de rester, comme l'a dit le coach. On, respecte tout le monde, il faut respecter tout le monde, nos adversaires. Mais quand même, nous, nous, voulions, nous, serons déterminés à y rester. Le desk sport de la RTS a consacré une émission spéciale au Diamano de Fatik qui a réussi la montée en Ligue 1, une première pour un club faticois en Ligue Pro. Diamano de Fatik est aussi un champion de Ligue 2, une émission donc à suivre après le journal de 20h qui à présent a terminé. Merci de votre fidélité. Bonsoir à tous.